ravie de vous retrouver cikin wannan sabon shirin wannan hilin musamman da studio Kalangu take keɓe ma matasa a kowane ƙarshen mako. 2,78 millions d'internautes et près de 500 000 utilisateurs de médias sociaux wato mutanen da suke amfani da yanar gizo da kafofin sada zumunta a nan Niger en janvier 2020 c'est ce qui ressort des résultats d'une étude de Digital 2020 na Niger da Data Reportal yayi a watan Fabrairu in Kuma masu amfani da wannan yanar gizon la plupart matasa matasa ne to banda hira da aikin da suke yi bisa kan wannan kafofin sada zumunta menene matasa suke yi en plus à cette fada installée dans les locaux du studio Kalangu nous sommes avec des influenceurs et des activistes masu fada aji bisa kan kafofin sada zumunta quel est leur rôle sur la toile qui est leur cible qu'est-ce qui les motive kai za su gaya mana komi bin sau da kawa comme d'habitude muna tare da musikinmu da rubrikin fada da Don zai sarrafa mana kuma da kronikin da olivier ke mana da ita mai gabatar da shirin rabia mai kano aminiyar ku ta kullum Toujours selon cette étude de Digital 2020, il y avait 11,10 millions de connexions mobiles à watan janvier 2020. Kuma, in muka diba yawan matasa a kasar tamu, muna aita su ne wanda suka yawa bisa kan yanar gizon muna tare da matasan da suke yawan amfani da kafofin sada zumunta a wannan fadar musamman ma Sheikh Diallo il est influenceur web. Moutari Lawli, Sofiane, webmaster. Cheikh Diallo, ça va, Canada Là, allô Ça va Ça va, Tu avec la Yalo <laughs> Juste un peu. Moutari Lawli, Sofiane, il est webmaster. Ça va, Moutari Ça va très bien. merci. tu vas bien Alhamdulillah sannan ka tous, sakan shirin fada. alafada yusuf mahama magaji activiste sur le web yusuf ça va ça va mon alaya gormay ana ok nous avons une mise avec nous Oumou Kanel est influenceur mais plus activiste sur le web Oumou ça va euh, ça va tu vas bien ça va sois la bienvenue sur tous fada. pour rappel, vous avez été euh, formé en début d'année par le studio Kalangu sur les fake news. Alors que tu c'est ça, non il y a eu des formations, en effet, euh, sur lesquelles un certain nombre de personnes ont été formées, dont Cheikh euh, Diallo ici présent. Ok, ça s'est bien passé, Cheikh Oui, ça s'est bien passé, Dieu merci. Ok, Super alors. j'atterris déjà avec ma première question. Bah, Mouna, il y a un jeune influenceur, activiste sur le web. Vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qu'un influenceur et qu'est-ce qu'un activiste Oumou, je commence avec toi. Tout ce que je dis, euh, je le dis vraiment à, titre personnel. Mhm. Euh, que ce soit influenceur ou web activiste, euh, l'idée de base, c'est quand même qu'on porte des voix et euh, qu'on amplifie des voix. Donc, euh, en tant qu'influenceur, forcément, on a une opinion qui peut être, enfin, considérée influenceur. On a une opinion qu'on peut aider à amplifier à travers des partages ou à travers de la production de contenu, etc. Et en tant que web activiste, il y a des faits sociaux qui sont là et on a plusieurs canaux pour euh, les défendre, pour euh, pour les mettre en avant. Donc euh, pour certains, c'est c'est via le via le numérique, le digital, etc. Donc, voilà, l'idée c'est vraiment de de contribuer à créer un écho, que ce soit influenceur, web activiste, et à mettre euh, les, les, choses euh, en avant. Voilà, je pense que je, vais beaucoup parler sous le mhm. contrôle de chaque dialogue parce qu'on est quand même euh, du même domaine, donc il saura me, me remettre sur les rails si jamais je déborde. <laughs> Ok, yes. so aiki ne kuke da ake cewa activist da influencer saman kan ranar gizo-gizo mm. kamar bakin mutane muka ara muke gayi a bisa ranar gizo-gizo mm. akwai wanda ba su da bakin gayi muke ɗaukan magana su muna gayi mm-hmm, don mm-hmm. mu muke ɗauka muna gayi a bisa wannan ranar gizo-gizo mm. to na farko dai ni eh, a matsayi na mai mayawa bisa kan ranar gizo-gizo na fara yin wannan aikin ne kamar akan irin tunanin da nake yi da irin oh. aikin da nake yi da abin da ya shahi duka Hmm. donc tu as commencé avec ton opinion avant de porter des voix je commencé avec mon opinion avant de porter des voix donc a euh, cikin wannan tsarin ne muke ƙarfi muna abin da mutane ba su iya menene kuke quelles sont les causes que vous défendez chaque dialogue habituellement quelles sont par exemple les causes toi qui tiens à cœur que tu défends Habituellement, je me dis que tout ce qui peut contribuer à améliorer la vie ou l'environnement de vie de, nos concitoyens, des jeunes, pour moi, c'est surtout les jeunes, leur environnement, contribuer plus euh, sur euh, des différents thèmes mhm. euh, qui les touchent, quoi. Qui les touchent plutôt. L'éducation, la salubrité, récemment Covid-19, la santé tout ce qui touche à l'environnement des jeunes, de la population en général, mais des jeunes en particulier, qui contribuent à améliorer leur environnement de vie. Moi, ça me touche, c'est des causes que moi j'aime défendre et dans lesquelles je, je mets vraiment sans retenue. Oui, mais d'habitude, tu collabores avec euh, des institutions, des organisations, ou euh, c'est plutôt euh, tes contacts ou tes échanges avec les jeunes et tu hmm. partages leur opinion. Oui, là, nous, on a une association. Uh-huh association web, NCC, Niger Cyber Citoyen. Par la grâce de Dieu, après euh, plusieurs rencontres, je suis tombé sur de merveilleuses personnes qui me font découvrir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le minimum possible. La grande sœur disait qu'elle parlait sous mon contrôle, c'est plutôt moi qui vais parler sous son contrôle. <laughs> Parce que j'ai appris avec elle et je continue d'apprendre tous les jours avec elle. C'est bien ça. Mais attends, quand, quand, on vous entend parler, il faut quand même une grande motivation hein, pour euh, tenir ce rythme. C'est quoi Qu'est-ce qui vous motive Enzo Gareca, Motari, Lawali Sofiane, tu es master, mais tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux, c'est ça To, ni aikina kamar babban aiki ne nake mm. gaskiya. Tunda ni mutane ba sani très réseaux sur ba, mais sun sa abun nake nan gai. Parce que ban sa sunana. Ah, bah, parce que nous avons dans comment les gouvernements autres là. Mhm, mhm. parce, que actuellement avec la cellule, de communication Covid-19, là c'est moi qui partage ni que WhatsApp réseaux sociaux donc aikin da moi yi. Covid-19. Façon à les sur euh, les ports les ports du bavette a sa takun kumi de su wani in kaje kai vote kamar suka bar wajen saboda akwai cuta cikin gari kamar shine na ta watsa bisa kare sosiyo kuma mutane abun ya burge su shine ma yasa ma mutane da ce suka sani bisa kare sociaux parce que na ta whatsapp wa affirmation bisa covid 19 na ta edan su kowa ya gane affirmation kuma comment c'est accès libre à tout le monde quoi. On a passé sur toutes les régions et tout le monde a vu les, publications. Ok, je vois. Mais maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on revienne encore sur la motivation, ce qui vous motive Parce que euh, c'est pas tout le monde qui le fait. Et tu peux très bien euh, juste faire ton travail, être payé à la fin du mois et ne pas vraiment Homo, je le vais vers toi. C'est quoi qui vous motive euh, à vous lancer Rabia, je vais mhm. parler de façon plus, de façon plus personnelle. cet engagement, pour certains, il est inné, pour des gens comme moi. C'est un engagement qui est inné et qui ensuite développé selon notre environnement familial, professionnel, mhm. etc., selon nos, histoires de vie. Pour certains, euh, il faut un déclic parce qu'il y a eu un événement ou une tragédie ou un bonheur dans leur vie. Bref, il y a ceux pour qui c'est inné et ceux pour qui euh, il a fallu un déclic. Donc le déclic, il arrive à n'importe quel moment de la vie. Hein. Il peut arriver à 5 ans comme il peut arriver à 50 ans. Mais euh, quand on a cette motivation-là, que peu importe comment on l'a eue, quand on l'a, on l'a euh, vraiment... Euh, jusqu'au bout. Quand on est engagé pour l'environnement, on sait que peu importe la douleur de nos os, déjà, dès qu'on va nous dire euh, il, y a, il y a une inondation par-ci ou il y a une sécheresse par-là, on va se lever et aller le faire tant qu'on a euh, la condition physique pour le faire. Et quand on ne peut pas le faire physiquement, on va forcément euh, trouver le moyen de déployer une énergie, que ce soit en motivant d'autres personnes, en emmenant d'autres personnes, etc. etc. Donc euh, la motivation, elle vient du ventre. Elle vient du ventre. Elle vient vraiment du ventre. C'est super là, c'est tout à l'heure quand je disais euh, les super-héros du web euh, avec leur cap, c'est vraiment ça. On peut s'applaudir alors on peut se permettre ça au moins. On voilà. Parce <laughs> que la motivation, elle vient du ventre, mais il faut savoir que pour beaucoup, il faut le faire d'abord de façon désintéressée. Après, ça peut se monnayer. Parce que voilà, comme certains, on a eu une aura, on a une audience, on a, bon, je vais dire parce qu'on parle du web aujourd'hui, on a des mhm. followers, on peut monnayer ça désormais pour dire voilà, je vais m'investir dans ce que j'aime vous voulez qu'on donne de l'écho ou de l'aura à votre projet environnemental, etc. nous faisons déjà de l'environnement, mais il faut nous motiver pas nous payer directement parce qu'on fait ce qu'on besoin d'un mais il faut, quand même il, il faut euh, un appui exactement parce que après pour certains lui il est webmaster la connexion il ne la crée pas donc pour pouvoir faire son travail il est hein. ceci, <laughs> voilà donc euh, à un moment on, on a des charges aussi auxquelles il faut faire face voilà en compagnie de nos super héros du web on va prendre une pause sur euh, ces phrases pleines de, messages euh, positifs. Donc, on va continuer le combat. On va aller avec la rubrique de Miss Alandi. et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, tous Salafada, l'artiste s'exprime. Tous Salafada, une production du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle. Diffusée sur 46 radio partenaires les samedis à partir de 17h45 la version franco-aoussa et les dimanches, même heure, même fréquence. C'est la version qui change. Franco-Zarma. Une rubrique sur cette émission qui donne la possibilité à l'artiste de s'exprimer. Nous avions, nous avions à moult reprises, nous avons à moult reprises reçu sur cette émission des artistes, comédiens, peintres, chanteurs, rappeurs, musiciens, cinéastes. Aujourd'hui, sur cette rubrique, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour permettre à un autre artiste, cinéaste, comédien, influenceur, activiste sur les réseaux sociaux de s'exprimer. Ladies and gentlemen, recevez sur cette émission la Sagé Comment tu vas, mon frère Je vais bien, donc, et toi Tu n'es plus à présenter. Euh, en tout cas, tu es connu de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, on te connaît très bien. Mais les jeunes qui kiffent cette émission à travers, bien évidemment, le site du studio Kalangu, les jeunes qui kiffent cette émission à travers les 40 radios partenaires du studio Kalangu, Ouais. Parlons de toi. À l'état civil. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle, mon ami À l'état civil, je réponds au nom de Youssouf Mohamed Magaji. Youssouf Mahaman Magaji. Ok. Artistiquement parlant, tu as commencé avec quoi Parce qu'on euh, va parler de ta carrière. Exactement, exactement. Donc, euh, artistiquement, j'ai commencé euh, avec le cinéma. Ok. J'étais comédien. avant d'être cinéaste qui, bon, quand on dit cinéaste, on parle de quelqu'un qui, touche un peu à tout dans le cinéma. Donc là, actuellement, je suis vidéaste, je suis comédien, je suis euh, metteur en scène. Ok. Euh, je suis euh, web Tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé euh, le cinéma donc, le cinéma, j'ai commencé le cinéma, bon, officiellement, j'ai commencé en 2016. 2016, il y a cela 5 ans. Oui, il y a cela 5 ans que j'ai officiellement. Mais avant, je faisais des, petits trucs, mais bon, c'était pas trop professionnel, c'était pas trop euh, officiel. Mais officiellement, je suis rentré dans le cinéma en 2016. Qu'est-ce qui t'a incité ou qu'est-ce qui t'a influencé Parce qu'aujourd'hui, tu es un influenceur sur les réseaux sociaux à travers, bien évidemment, tes punchlines. Des fois, tu taquines, euh, n'est-ce pas, euh, la créature sacrée, entre autres, la femme. <laughs> Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans le cinéma Dis-moi, qu'est-ce qui t'a influencé, toi Ok. Euh, bon, en fait, pour le cinéma, j'avais euh, j'avais cette passion depuis que j'étais euh, depuis mon bas âge. Parce que j'ai eu à participer à l'école, au, au, sketch, au, théâtre d'école, tout ça. Donc, ça m'a vraiment motivé à, me lancer, à, être plus quoi. Donc, peut-être après mon après mon baccalauréat, je me suis décidé de de mettre un pied dans le cinéma et voir comment ça, ça, ça va donner. Et vraiment, Dieu merci, là, je suis, euh, je suis, si on peut le dire, satisfait. Juste la sagesse. Il faut dire par là aussi que tu es influenceur. Tu es sur les réseaux sociaux. À l'instant, on était avec toi sur l'émission Tous à la Fada. D'ailleurs, on va continuer avec toi sur cette émission. C'est une grande chance d'avoir l'artiste sur l'émission. C'est une, une grande chance. Alors, comment se passent les choses sur les réseaux sociaux euh, bon, sur les réseaux sociaux aussi, euh, c'est un truc. Au début, c'était je faisais des, petites publications par passion, souvent des petites idées qui me passent par la tête et puis je balance. Donc au fil du temps, j'ai commencé à avoir euh, une audience qui, aimait bien ce que je fais parce que je faisais un peu... Aimé par les femmes, hein, appelons les choses comme ça. <laughs> Exactement. Parce que euh, le plus souvent, je suis centré sur, sur, les femmes, sur les problèmes des femmes et tout. C'est vrai que souvent, je taquine un peu, mais dans ces, dans ces taquineries, je mets un peu euh, souvent de, vérité pour un peu attirer l'attention des gens. Mhm. Et je pense que c'est choses-là qui ont fait de moi le web influenceur, si on peut le dire. Et eh, tes publications nous manquent. Hein. Non, vraiment parce que... Depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Bien sûr, t'es pas connecté. Je ne suis pas connecté parce que là, euh, aujourd'hui, je suis... Euh, disons que les réseaux sociaux font partie, euh, ont une partie intégrante de ma vie. On va parler un peu aussi de la comédie. La comédie au Niger parce que nous avons reçu à moult reprises des artistes comédiens sur cette émission. Tu fais quel genre de comédie toi one man show ou comment est-ce que tu fais ta comédie euh, Sur les réseaux sociaux, explique-nous un tout petit peu, les jeunes ont envie de savoir. Euh, je ne saurais pas comment trop appeler ça parce que moi je fais de, de, la web comédie en texte. Ok. Je ne fais pas de, des trucs, euh, des lives, des one ah, man tout Est, tout est dans l'écriture Tout est dans l'écriture. Mais en cinéma, on appelle des acteurs des comédiens. Ok. ça, c'est l'appellation cinématographique. On les uh-huh. appelle des comédiens. C'était donc l'émission, euh, la version euh, franco-aoussa, euh, n'est-ce pas Nous allons donc nous retrouver demain, Inch'Allah, dimanche dimanche pour donc parler de ta carrière, du cinéma au Niger, de la comédie et tout ce qui va avec, de comment est-ce que tu as grimpé, n'est-ce pas, parce que tu es un soldat sac dos, comme on dit. c'est clair. Miss Yuba et de l'autre côté, n'est-ce pas, eh, yo yo, Farhan, dit, voilà fini le premier angle. On se prend donc dans un instant, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada, la rime, la miss rime va continuer ce qu'elle a commencé. C'était Yus, la sagesse et la machine. Retour à la Fada, aujourd'hui installée dans les locaux même du de Kalangu nan muka gayyato matasanmu wanda suke aiki ko in ce suke ta faɗakarwa suke waye ma 'yan uwan nasu kai bisa kan abubuwa da dama muna nan muna zancen aikin nasu a yau menene suke yi a bisa kan wannan kafofin sada zumuntar wani irin aiki ne suke yi wane ne ke kama musu ina suke samun taimako ina suke samun wannan kuzarin nasu da suke aiki da shi a ko da yaushe muna gani a wannan fadar muna tare da umukan elle est influenceuse et activiste. Youssouf Mohamed Magaji, il est activiste également sur le web. Montari Lawali Sofiane, webmaster. Cher Diallo, il est influenceur également sur le web. To dama akwai waɗanda muke jira cikin bakin namu da basu iso ba kuma yanzu ga ɗaya nan ta iso. Ufa Ider, bonjour. <laughs> Bonjour. Ça va, madame Ça va bien. Vous, allez bien Ça va. Ok. Soyez la bienvenue sur tout ça la Fada. Merci. To, yanzu zan ci gaba Yanzu On va parler de vos followers. Vous, vous êtes plutôt activiste. Oui. Sur les réseaux sociaux. Oui. Plutôt genre, hein Oui, les questions de genre. Exactement. D'accord, je me trompe pas là. <laughs> to yanzu mun yi zancen bisa kan aikin da su wa'annan matasan suke yi bisa kan yanar gizo da ya suke yin shi yanzu mu zancen masu shuraren ku c'est très important il faut des followers pour être activiste ou influenceur si je me trompe pas yanzu muna so mu sani euh, madame Ufa euh, feedback kin da kuke samu bayan aikin da kuke yi duka bisa kan réseaux sociaux ya ne c'est plutôt positif ou euh? On va dire à 80% c'est négatif parce que moi mon travail il est bloqué et on va dire il est arrêté à cause de cette situation on avait plein d'activités qui devaient se tenir justement pour les questions de genre pour le 8 mars qui ont dû être annulées. Euh, parce que <laughs> voilà, la plupart des partenaires avec lesquels on travaille sont à l'étranger. Moi, je suis le point focal ici. On n'a pas de feedback. On, voulait faire plein de trucs sur le net qu'on n'a pas pu faire à cause de la situation. Euh, déjà sécuritaire du pays, donc les activités sur le terrain annulées, les activités sur le net aussi annulées. Parce que toutes les vidéos qui allaient être postées, les jeux, les quiz, <laughs> on n'aura pas de retour parce que c'est comme se promener dans des rues désertes. Ça fait combien d'années dans, dans ce que vous faites là Deux ans et demi, presque trois ans. Deux ans et demi. retour les réactions par exemple de des filles avec qui vous travaillez ou euh, de votre cible Bon, en fait, en réalité, les filles ici, ça passe mieux. les réactions sont plus venant des hommes parce que les, les hommes parfois ne comprennent pas trop euh, ce qu'on est en train de faire. Dès qu'on dit activiste genre ou féministe, <laughs> on nous voit plutôt comme les ennemis du genre masculin, ce qui n'est pas trop le cas. Ouais, ouais. Donc, euh, on a tendance, c'est vrai, à se faire attaquer sur les réseaux ou parfois avoir des gens qui ne comprennent pas en réalité ce qu'on est en train de vouloir faire. Mais l'impact est là parce que euh, heureusement, ce n'est pas la cible. La cible, c'est que les filles puissent avoir certaines conditions de vie. Euh, on n'est pas au stade du féminisme français où américain, mais plutôt on est dans le contexte. comprennent, euh, Voilà, qu'ils comprennent que nous, on a des besoins très simples. Voilà, des choses basiques de la vie. Voilà, basiques <laughs> auxquelles les filles n'ont pas accès. Donc nous, c'est vraiment dans ce contexte. Donc l'impact, il est là parce que euh, ça va, ça, se ça, va, ça bouge, oui. Voilà. ok, super ça. On va parler de vos cibles. Yous, la sagesse, ta sagesse là. Et réseaux Comment le retour de tes followers, les gens, comment ils apprécient ce que tu fais eh, Na farko dai eh, ah. da ake da na hauda saman ranar gizo je peux dire que c'est un mot ironique. Okay. Ça dépend de comment les gens comment prennent la définition et tout. <laughs> Lalle dai mutane masu biya cewa da followers, mhm. eh, ko da wani lokaci suna mai domini cewa da suna son abin da nake yi. Gaskiya kuma lokacin da ma wani bi tun da in ne bulaguro, souvent ina zuwa daji, mm. in ne bulaguro tare da matsalar connection da babu a cikin daji wani bi ina kwana biyu uku bana rubuta komi saman ranar gizo-gizo lokacin da na dawo gari ina samu connection in na hau ina ganin kamar a ce ina na bi tusala don vraiment eh, abubuwa ne da ke ba mu kari da kuzari shi kuma yana cikin motivation parce que yau a gani na kamar banza ne in kana abubuwa in mutane ba su mai doma gaskiya ana iya cewa kamar aikin da kake na banza ne kwa Donc, ay duk cikin suna cikin motivation game da matsalar ga ta connection na kwana kinga sai da wajen kwana uku ban connection ba ban haura na gizo lokacin da na Je a ga abubuwa da yawa wanda followers suka bari vraiment irin rubutun da nake yi suna kewa itusa la vraiment na ji kuma ya ƙara ƙara kuzari cœur quand même quoi d'être suivi euh, mais bien suivi au fait quoi tu vois minutieusement on dirait. <laughs> et donc euh, bisa kuma abin da uwanmu c'est kamar c'est vrai muna yin shi ne wani bi dan muna so amma kuma komin aikin da kake yi kuma dan kana son shi kake yi ya kamata kuma a kama mutum ouais mais justement su wane ne follower kin naku ko wane na iya ga mini ɗaya wane ne tu es plus suivi par qui euh, sur les réseaux sociaux toi c'est plutôt ni c'est plutôt les, les femmes les femmes oui oh là là là là <laughs> c'est oh plutôt les femmes oui, bon, parce qu'en en fait, les publications que j'ai faites souvent, mm. c'est plutôt centré sur, sur, la femme, en fait. C'est vrai ah, que je, je, taquine un peu les, les, femmes tout le temps. Donc, je pense que c'est de là que euh, leur est venue l'idée de, de me suivre plus parce que parce qu'on dit que souvent les femmes elles aiment être taquinées elles aiment être euh, tout ça euh, voilà quoi <laughs> super les filles on a ça avec nous hein ne zappez pas l'émission <laughs> Diallo toi c'est plutôt qui te suit majoritairement des jeunes parce que les, les, jeunes sont, je pense, si je me souviens bien, majoritaires sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je dirais plus les jeunes. Ok. Et je ne peux pas donner de tranche d'âge euh, précis, <laughs> mais je dirais plus les jeunes. Bah, maintenant, les causes qui vous tiennent vraiment à cœur ici, on peut en parler un peu euh, Enzo Gareka, Moutali Laoli, Soufiane, les causes qui te tiennent à cœur, que tu aimerais vraiment me défendre corps et âme peut-être que tu n'arrives pas, mais qui tiennent vraiment à cœur. C'est plutôt quoi, toi Bon, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est mm. sur la santé sexuelle et reproduction, la plupart des fois. C'est ce que vraiment, chaque fois, je défends sur mes publications et tout. Donc, c'est ça qui m'a permis vraiment d'être un peu vu sur le net. Il y a mm-hmm. des gens qui prennent mes publications, ils publient pour avoir plus d'abonnés ou un plus de followers. Et même moi, à chaque fois, j'ai des retours positifs, franchement dit. Ok. Vraiment, c'est ça. Et en plus, ça, ça me plaît beaucoup. Quand je fais des publications, il y a des gens qui réagissent, qui me disent vraiment ils ont beaucoup aimé, surtout avec les, petits slogans que je, mets et les petits messages que j'envoie. Mhm. Parce que je peux faire juste une seule phrase, je balance, les gens vont aimer, aimer. Et... Vraiment, c'est mort pour le reste. Yo in kasa lahi vie, ka kai kai kowa jin daɗi cikin kai dai wannan dai ne dai to shi dai ne ya tsami ina so kuma insha Allah duk wanda yazo ikon ƙasar namu ya kama muna mu ci gaba da aikin nan saboda kowa ya lalle kuma yara da manya kowa na biskan hanyar abun alhamdulillah to ke umu c'est quoi la cause qui te tient vraiment, vraiment à cœur La cause qui me tient le, le, plus à cœur, bon, c'est éclectique, hein, mhm. mais la cause qui me tient le plus à cœur, c'est l'éducation. Parce que priver un individu, femme comme homme, d'éducation, c'est la plus grosse violence qu'on puisse lui faire. Parce que un peuple éduqué peut parler de tout, peut lutter pour tout, que ce soit pour la santé, la politique, les droits des femmes, ah, le respect de ci, de ça, etc. Il faut éduquer les gens. Et l'éducation sur les deux plans, que ce soit l'instruction qu'on donne à l'école, comme l'éducation qu'on donne à la maison, qu'on arrête de confier les gens à la rue. voilà. Et dès que c'est fait, tout va tout seul. Après, euh, on va défendre parce qu'il y aura quand même quelques malheureuses poches de résistance. On pourra défendre euh, les, droits de la femme, on pourra défendre euh, le droit à la santé, à avoir une bonne santé de la reproduction, on pourra défendre le droit à militer dans tel ou tel parti. Mais ça, ça vient vraiment avec l'éducation, l'instruction, etc. Voilà yi ci gaba da wannan shirin na amma zama dan shakata kaɗan jello yau shine dj kin fada jello me kake sa asa muna son a sa mana waka zinaria ta adams junior on va écouter uh, zinaria de adams junior joué ici par euh, notre dj de la fada soka kiyabo hankali amana da luraya ina kira ga yan matan sahara ina kira ga yan matan duniya su ɗauka bi'a irin da titiye ma'urki ne mawadatiye titi ba ta iya karya ba wallahi titi ba ta fasuro mai titi ba ta iya karya ba wallahi titi

ya ba da ke ba dan komai ba dan hankalin ya ni na soki yarin ya sala ba a masana jama da zariya C'était Ginaria de Adam Junior. yau hirar da muke a nan cikin wannan fadar tamu da muka dora a nan siyar jikin studio kalangu tare da wa'annan matasan wanda suke aiki bisa kan yanar gizo gizo bisa kan aikin su muke zance wani irin aiki ne suke waye ke bin su dalla dalla bisa kan aikin da suke yi su wane ne masu amfani da wannan faɗakarwa da suke bisa kan yanar gizo gizo kuma wane ne ke kama musu yanzu za mu zancen kuma matsalolin da suke samu cikin wannan aikin nasu da suke menene yake rage musu karfin gwiwa cikin aikin nasu banda ku firkin internet biyan sur sa on souffre tous sisi. <laughs> barin ƙara tana ma masu shuraren mu muna tare da ufa idar elele activist uh, ita dai defense kin nata ta yi wannan shi yakin nata bisa kan incin mata lahiyar mata muna tare da Sheikh Diallo, il est sur web, mu tare lawali cikin wannan fada. il est sœur, Youssouf Mahama. Je suis un activiste sur le web Omukan, Elle est influenceuse mais plus activiste web. Donc, yanzu za mu ci gaba da wannan da wannan Ofa. c'est plutôt quoi qui vous pose des problèmes Où ça coince dans ce que vous faites je pense que comme euh, l'a dit tout à l'heure, euh, ce qui coince, c'est beaucoup l'éducation. Parce que in kuna da gaban ku mutanen da ana fahimta musu suna ɗaukan wani gehe c'est vraiment compliqué. La plupart du temps, c'est des gens qui extrapolent tout ce qu'on leur dit. In kuna cikin gari inda mace ba ta iya zuwa ta ma maza magana kuma mu mu zo mu ce musu ku ba mata yancin su kun gane da akwai matsala ko oh, eh, <laughs> to sai a ce addini ya ce addini ya ce addini ko bai ce haka nan ba addini ya ce a girma da mace a bata wajen ta zahilci dai ne yayi yawa fi sabilillahi zahilci yayi yawa kuma zahilci na hana mutane aiki duka kun amince da amsa ta ko kenan kawai jahilcin la majorité des jeunes euh, du Niger, c'est ça qui pose vraiment problème. Le problème majeur que vous avez, c'est yus akwai wani abu da ke rage muku karfin gwiwa banda jahilcin matasa 'yan uwan naku a na Niger. Akwai wani abu hallo da ba wannan ba? Kya a lokacin da muke ciki yau ina ga kwana takwas eh, ba mu da ranar gizo mm. a nan kasar mu ta Niger. Quand vous constatez euh, après Niamey, sérieusement dans les autres régions même dans les chefs-lieux, la connexion reste à désirer. Quoi. Donc, euh, imaginons un peu dans les zones reculées ou dans, dans les départements, dans les villages et tout. Souvent, tu n'as même pas le réseau pour l'appel à plus forte avoir euh, accès à, à l'internet. Accès à vos publications, par euh, exemple. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est un problème qui doit être revu parce que si aujourd'hui dans, dans toutes les zones de ce pays on a on a ne serait-ce qu'une petite connexion pour que les gens puissent accéder aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y, y aura plus Donc un on aurait Fait de... choses on, on aurait fait beaucoup de choses. Voilà. Mhm. Rabia, euh, j'aimerais quand même rajouter quelque chose à ce, que, à ce, mon frère a dit euh, tout de suite. On parle de fracture numérique, etc., etc., euh, nous contre ou nous par rapport à l'Occident et tout. Mais cette fracture numérique-là ne doit pas non plus être un frein à nos activités. Il faut qu'on sache, qu'on ait la créativité et assez d'imagination pour se réinventer et toujours trouver le moyen de continuer malgré qu'on soit dans, dans finalement on est en, en état de guerre, qu'on dise la vérité. Le fait de manquer d'un Internet, qui est quand même un droit euh, désormais fondamental. L'humanité ne se voit plus sans Internet. Le fait de manquer d'Internet ne doit pas, euh, que ce soit à, je dis un nombre euh, comme ça au hasard, que ce soit à Kamchaka ou à, à, ne doit pas être un obstacle à, l'épanouissement et un obstacle au fait de pouvoir toucher une communauté. Ouais, continuer le combat. Voilà, continuer le combat, exactement. S'adapter, exactement. Super. Ben voilà, on va aller tout de suite avec la chronique préparée par Olivier. Et on se reprend juste après, ou on se dit officiellement au revoir sur la Fada juste après. Bonsoir, amis jeunes de l'émission Tous à la Fada. Si ce soir le débat avec euh, nos amis internautes, certains influenceurs ou activistes a lieu, eh bien, c'est tout simplement parce que la connexion Internet a été aux portées de tous. Mais depuis le 24 février 2021, l'accès à Internet a été réduit à seulement quelques utilisateurs. Et cela, c'est suite aux troubles survenus après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle second tour. Cette semaine sur Studio Kalangu, beaucoup de reportages, interviews et analyses traitant des impacts de cette restriction d'Internet sur les activités des populations eh bien, ont été diffusés. À côté des impacts négatifs, Essayons de voir un peu le côté positif de la chose. Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons essayer de mettre en lumière certaines anciennes pratiques que cette restriction a fait renaître. Alors, let's go. D'abord, nous avons noté le retour des SMS classiques. L'envoi des testos a fait son retour triomphal chez beaucoup d'utilisateurs de téléphones. Il faisait bien longtemps que je n'ai pas envoyé de testos, nous ont souligné certains jeunes rencontrés ici à Niamey. Ensuite, les relations amicales retrouvent leur lettre de noblesse, avec plus de conversations autour du thé, entrecoupées avec des messages WhatsApp. Non, ça, c'était avant, n'est-ce pas, Séni tranquille, j'espère que tu es d'accord avec moi. J'ai entendu certains octambules du web dire euh, Je songeais avec mes amis jusqu'à tard dans la nuit, mais ces derniers jours, je dors tôt. Hmm, que c'est bon pour la santé de dormir tôt. Donc, la limitation de connexion d'Internet ferait dormir tôt. Beaucoup d'utilisateurs d'Internet qui passaient des nuits blanches devant leur écran de téléphone mobile. Côté entrepreneur, certes, Internet constitue un axe très important pour le business. Mais on peut considérer cette situation comme une expérience, n'est-ce pas, Madi Genso, toi qui gères une entreprise de livraison Bien sûr, bien sûr, la prochaine expérience en fait, euh, c'est pas mauvais. Ça, ça nous ça va nous permettre en fait de nous attendre à ça la prochaine fois. On saura comment s'y prendre au cas où ça nous arrive, comment faire. C'est toujours une expérience en fait. Il n'y a jamais, a jamais de mauvaise expérience comme on le dit. c'est toujours une leçon. On apprend toujours quelque chose. Merci beaucoup, du bon courage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Et vous, amis auditeurs, auditrices, comment vivez-vous la coupure d'internet? Et quant à moi, bah, c'est quand même difficile, mais on essaie toujours de voir la vie du bon côté. On se reprend sur la page Facebook du studio Kalangu dès que possible. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci bien Olivier. Retour à la fada. Izan bon kwana da wa'annan wanda Mukagayeto gayyato ah, gida studio Kalangu na Kwara Kano. Yau hira da muka yi hira aikin da suke yi bisa yanar gizo matasan da muka gayyato yau su ne masu fada aji ji yanar gizo matasa da suna bin duka abubuwan da suka suna shuraren su don wani fara de follower wane ne suke ma wannan aikin kuma kamar and suka ce an umfa ta ce ɗaju jahilci yana eh, matasa mutanen Nijar na cikin abin da ke rage musu ƙarfin gwiwa me kuma ummu ta ce duk da wannan dai a ci gaba da aiki za su ci gaba da aiki za su ci gaba da abin da suke za su ci gaba da fadakarwa da bude ma ƴan uwansu matasa kanu bisa kan abubuwan da ya shahe su to sai mu yi ban kwana da ku bisa kan wannan shirin yanzu tunda kun san an yi zaɓe kwanakin baya a ƙasar mu za su ci gaba da wannan hirar tare da dondi kuma cikin wannan zaben da aka yi su menene suka kawo wace rawa ce suka taka wace gudunmawa ce suka kawo cikin wannan harkokin zaben da aka yi tare da dondi za su wannan Si C'est mon cas à Rob, c'est quand je rentre à la fada. On se dit bye bye. Bye bye tout le monde.